l'artiste s'exprime, reçoit en ce samedi trois humoristes. Ils font la fierté du quartier Goudel. Ces jeunes ont de l'avenir. Cette formation va, sans nul doute, représenter le Niger dans les jours à venir hors de nos frontières. Ils croient en ce qu'ils font, ces garçons. Ils sont jeunes et dynamiques et surtout soudés. Ils font la fierté du village. De Goudel, mesdames et messieurs, recevons la formation Tripo Les gars, comment vous allez Dites-moi que vous êtes en forme. Ça va bien Ouais, ça va. Ah, je commencerai par toi. Ouais, ouais. Tout va bien Ouais, tout va bien, grâce C'est sûr que tout va bien Ouais, ouais. À 100% <laughs> À 100% Ouais, ouais. Trip match, bien sûr, ça va Ça, va. Tout va bien aussi Très bien. Terminatoire non mate modiji bio kan <laughs> zari kware wo eh si livre pour eh. mati wono ti modiji o kanda ah juste un idem tiri pour aller na tiri pour aller tiri pour ma matino ça va bien toi ça va très bien quoi tu quoi Il se passe bien ça va très bien alors je commencerai par toi c'est important bien évidemment on doit commencer d'abord par la présentation mm. <clears throat> à l'état civil pour qu'on puisse ensemble euh, n'est-ce pas savoir comme on a coutume de le dire toutes les informations sur vous en ce qui concerne bien évidemment l'état civil. Je commencerai par toi. Le nom à l'état civil Je me nomme Gabo Mouni Hamidou. Gabo Mouni Hamidou. Et c'est quoi ton nom d'artiste HMD euh, La Magie. HMD La Magie. Ok, pourquoi HMD HMD, c'est l'abréviation de Hamidou. Ah, HMD. Ok, donc Hamidou La Magie. Pourquoi tu t'appelle La Magie La Magie, c'est Zaygou Zanka, on est bon. <laughs> Dobo. <laughs> Comment Mao. Mati Moi, moi, je suis Latif. Abdul Latif Abdul Latif 2005. 2003. Abdul Et, uh, <laughs> et eh, eh, ton nom d'artiste c'est quoi Mon nom d'artiste c'est Tonton El Tifo. Tonton El Tifo euh. Ah, mon femme, Tonton El Tifo. faut que Tonton El Tifo. Il Ah, parce que. Ah, Tonton C'est ah, un un bien ah, <laughs> Non, toi, ma, quoi tu quoi? Martinez Essini Abdoulaye Cheb Garba Abdoulaye Cheb Garba ok d'accord nous mon ma tonton May. ah Lai Lai Lai tu tari comment Philippe <laughs> Mamachi ah non ok tire Mamachi il faut que tu tires Mamachi Mayana il faut que tu tires Mamachi bon il pas, tire ti. Mm. genre tu vois il kine go drag go drag go maman tu tu pour cela truc maman tu voilà ok il faut nous en Bon. vidéo ende hein, ya ci vidéo faut nous recevoir semaine fad hmm. doni vidéo na taro vidéo que nous en bon il te en publicité ya ci il était comédie kan haren parce que trip pay ak mama C'est donc aron misal ga comédien de no arang te arang arang dar no hmm. arang ha to comédie o matchina no arang goite te lara no arang gidan or facebook no arang gidan or matchina na ga arang gidan e gi poste facebook oh. youtube ayo e insta wajen kule gi ifono e te arang page da arang hewe ka gidan youtube sanga dai tunem di arang goye matchina na ite gidan dana pro trip e gi tabnes won ibo trip mamachi misal ga facebook o bon hmm. youtube o bon a kula gundo dala to so no nu famande se watu chen horan sintin ifu dumanu arangote ifu no kandara ifono no arandara matnu am te char kubai bon On a commencé il y a deux ans. Deux ans mm, de cela. Mm. Oh. Eh, Zahir buzan kano a kanar sai ko ai mu fura ga cer ga paga dindumte. Ok. Han fo da gogoro non go kirga pose ko. Mhm. Bai sintina ga dirinte kullir ga hamburger mi poster non quoi? Ok. Bin no jour fo ir gogoro ir go et e fada da irin te irin quand akan un secteur pour essayer. Non, on a dit alors on pouvait continuer. Mm -hmm. Et c'est comme ça ça a commencé. Ok, d'accord. Et donc là, euh, il y a deux ans que vous avez commencé. Deux ans, il y quand des euh, à voilà. Ok, donc son trip ma boys. Aran wana want Aran se jirin kar kerga mara. Masalan masalan ka aran pour que émission euh, tournage teda diffusion ou teda problème for tournage le le Problème mm peut mhm. manque de matériel de nous quoi. Manque de matériel. Sinon si on a des matériels efficaces on pourrait faire mieux. Ok. sanga misali ga gujjine kan ko wongu voilà no sara se so ni kan mo itandi fu sa jora kan se de malfa mm. asite ay ne bors ko isa mo taribo asite wala <laughs> aspecta bors ko isa taribo mm. yan ga so misali ga gujjine no araba mi do aransi voilà ta e milimo kan eh boray ku kan gogaya émission o gun kan gwanga nder se manta gudalin nan ofa niger talato me amed gonda zaksire ka kande zanke o saram kanda ise ok garba mm. Et pour o misali ga rubrique o me wala kulu makande ng kambe sanno kango ase abinabon pour que niger comedio am kodi juna kwa cire ko ni na isintinda ah sannu ka gite da aisintin da niger ta mai diga music ga odin kulu ma odin inge bunga ilmu amdu ko dijina ta wodin da yana kan kam san mm. ko ay jon ko ta irgo angan ne iru irgo niger artiste ko mai yi dengai kuliya kulyaki ne irgo bifo imdu yi imsina im continue bo im continue ite am fonen de agite de no yakin ko on va finir avec toi le message de fin en ce qui concerne cette première partie. Tout d'abord, je remercie tous mes fans d'abord et après les artistes euh, nigériens. Message au Kaigano Niger artiste Il ne Faut pas baisser les bras. ensemble, on va faire l'impossible, Inch'Allah. Ensemble, nous allons déplacer les montagnes impossible n'est pas génie, C'était Trip Mamachi sur la rubrique L'artiste s'exprime. Et